Oui, euh, moi je suis le monde humanitaire depuis pas mal d'années. On a, connu une évolution euh, assez impressionnante. Autrefois, les humanitaires, c'était un peu des personnages euh, intouchables, souvent des médecins qui, allaient dans des endroits où personne n'allait et qui étaient protégés par la population. Ensuite, les humanitaires sont devenus des, victimes collatérales dans les bombardements, dans les choses comme ça. Et aujourd'hui, ce sont des victimes désignées, symboliques. Alors, on ne peut pas dire si ce qui s'est passé à Kouré, c'était directement lié au fait qu'on euh, s'attaquait à des humanitaires. on pense qu'on s'attaquait plutôt à des, Occidentaux. C'était là où était la force symbolique. Il n'en reste pas moins que de plus en plus d'humanitaires sont, euh, sont tués dans l'exercice de leur travail et que ça pose un véritable problème de droit international, de protection internationale très très difficile à, à mettre en œuvre, mais euh, sur lesquels euh, je crois qu'il faut vraiment travailler. Euh, l'idée, mais c'est une idée un peu, un peu utopique, mais je pense que c'est pas pour ça qu'il faut pas la, formuler et, ne pas y travailler, c'est de trouver un statut non seulement des humanitaires, mais des espaces humanitaires. Je voudrais quand même rappeler qu'on a beaucoup parlé des, six morts d'Acted et meurtri dans notre chair. Pour nous, c'est une chose épouvantable. On parle beaucoup moins, on parle beaucoup moins de, tous les morts qu'il y a tous les jours euh, dans les populations civiles, les instituteurs, les imams, euh, les, villages qui se font massacrer. Euh, c'est un phénomène global et je pense que je pense qu'il faut avoir une pensée pour toutes les victimes de ce conflit.